amiru tusa la fada j'espère bien kuna lafiya da ku da iyalanku to wannan fada dai zamu yi ta a nan gida kun sani kamar an muke ta a nan studio kalangu zan kwatanta muku nan kusan sai shi kuma akwai wani mai studio to yanan za ku dinga jin karan <laughs> aikin shi <laughs> cikin wannan fadar tamu ta yau to wannan satin mun dawo da fada bisa kan annobar virus amma yau hira banna da wannan ciwon take afka bisa kan business matasa zamu yi le covid-19 don un coup dur à l'économie mondiale tabbas esiyo eh, da plusieurs secteurs banda jirage da suka yi kura a ƙasa da manyan kamfaninnuka ke a register da perk chaque jour a ƙasar wannan tamu wannan ciwon na corona da hanyoyin rigakafin shi suna taɓa kasuwanci da ayyuka na matasa da dama common session traverse cette sanitaire wacce mafita ce suka samu nos invités yau a wannan fadar muna tare da muna tare da Bube Ego, man ne kuma SJA kin Senko Taxi. Bube ça va? Ça bien. Senko Taxi da syndicat kin man ne ko? Eh Senko Taxi se syndicat cin direbobin abun ga taxi. Na na Niger duka gaba. Na Niger duka ne. Eh. To to bube mun gode da ka samu ka zo da wannan harkan corona kin da ka amsa kiran mu ma mun gode muna tare kuma da Muhammadu Isa shi ma man ne haka ne hajiya barka barka kare ta lahiya lahiya ya aiki alhamdulillah ana ka kama haka nan dai mun gode Allah malgare sala dai muna tai Dans ben, cette fada, nous recevons également M. Seri Il est le président de l'association des jeunes euh, entrepreneurs du Niger. Euh. Et comme d'habitude, nous aurons de la musique et notre chroniqueur chouchou Olivier viendra avec sa chronique. Ça va Olivier Ouais, Ravi, je vais très bien et toi Aujourd'hui, on va parler de quoi Moi, ça va On va parler de la connexion Internet et surtout, on va essayer d'expliquer pourquoi à partir d'une certaine heure, il est constaté que la connexion Internet baisse bah, J'ai fait quelques recherches et je vais vous faire le compte rendu à la fin. Merci à notre paparazzi du web. Le vendredi 27 mars, dans un message à la nation, shugaban kasar ya ɗauki ƙudirin liƙe birnin Ba Babu shiga, babu Kuma ga couvre-feu cikin interval kin karfe 19 na dare ko zuwa karfe 6 na sahi in ka hito abun ba daɗi wannan ya yasa kasuwancin matasa da wani business cikin su da wani ayyukan da suke da dare an tsaida not reporter hawa mamman ta gamu da 'yan taxi sun ba da ra'ayinsu bisa kan wannan canjin yanayin mushirare su muje Pour freiner la propagation du coronavirus, les autorités nigériennes ont instauré des mesures dans tous les secteurs. En ce qui concerne les déplacements, les transports périurbains sont maintenus de façon à permettre aux populations d'effectuer les courses strictement nécessaires, mais des restrictions sont imposées. Je suis au petit marché et je viens de Haroban. J'ai payé 300 francs la course. On était deux sur le sièges arrière. J'ai toujours payé ces tarifs, donc les prix n'ont pas changé. À en croire donc Abdelmajid, les mesures restrictives sont respectées par les conducteurs de taxi qui se sont pliés aux exigences de la situation en dépit du manque à gagner qu'ils subissent. Cependant, les conducteurs de Faba Faba, eux, n'ont trouvé d'autre alternative que de rehausser légèrement les tarifs de la course. On nous a autorisé à prendre 300 francs par course, mais même avec ça, on s'en sort pas. On prend alors euh, patience du fait de la situation. On arrive difficilement à subvenir aux besoins de nos familles. Même lorsqu'on prenait quatre personnes, nous partons en faillite. Et maintenant, on nous demande de prendre trois personnes. C'est un grand manque à gagner. Alors qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Nous, nous, à ce stade même, il y a beaucoup qui ont déposé leur taxi. Les effets de la pandémie de Covid-19 sont indéniables et impactent les revenus quotidiens des conducteurs, mais ils se répercutent surtout sur les clients obligés de payer cette majoration du prix de la course yanzu gobe bari in fara gare ka to muna so mu sani kuma mu vive sa lalle mu cikin sektor mu na transport mun ji ciwon wanga abu amma ba mu iya komi mm. paske yau eh, jeunesse na yamai la majorité jeunesse na yamai da yawa cikin su taxi suke mutum ya samu wani jallin shi kadan ya zo ya yi investissement cikin taxi koko wani frère ou un cousin ko wani mai gida ya saya ma mota ya baka tu es obligé de obligé station in ka mhm. ka hidda ko baka yi aiki ba journée kana hmm. versement 8000 kenan mu an ka de 6h à 19h mu yi aiki de 6h à 19h mhm. deux fois ma a samu bale wani hmm. donc vraiment muna cikin masala da mu gwamnati bayan abubuwa da ya dauka bisa kan ya gyara ma talakawa mu aza ko sektor kimu. Oh, hada kuma an samu an aka aka mamu Mu takardu na motoki suna an ka tura kamar laikin da ake biya an ka tura su gaba amma babu abun da gwamnati ya yi muna. To bari in dawo gare ka Muhammadu. to Muhammadu ina ji a cikin harkan taksi kin ma akwai sarki kamar min da ake cewa ne akwai in kai kamar in kai mai taksi man ne in ka aiki da sahe sai ka ba abokinka shi ya yi da ya samu wani abu eh, to su kuma wa'annan wanda suke cikin wani ya ne to madalla zan hwara da baya sai in zo miki bisa tambaya da ki mini mm. kamar zancen wannan kama mini da kin yi kama mini da ne mun ka san shi yanzu mm. babu shi saboda wannan zance da muke nan muna yi bisan shi shine kuvurfe mm. wanda an kasa da 19 a 6 du matan. ba ni ban ɗauka shi 19 parce que duk wanda 19 ta isko shi waje kashi zai sha wow. moi je prends ça de 17 à 6 heures du matin parce que quand il est 16 da na yi sallah na san da ba inda zani ba kiliyan ko kiliyan inda ya tsaida ni ya ce mini wuri kaza ban ni ya ɗauka shi parce que na san le temps ne me permet pas in doke shi in dawo kuma gidana hmm. kenan da na yi sallar la'asar gidana zan nema shikenan kawai awa nawa gare ka ga wuni shine yau muka zo nan studio kalangu cikin wannan muhawara da ake cima tus alafada eh, tus alafada mun zo mu ma abun da muke fuskanta saboda mu samu mu gani yalla za a sama muna mahuta a gare shi mm-hmm, mm-hmm. sannan kuma wannan kuvurfe da an kasa duk wanda yake wahala ciki bayan taksiman yake duk wanda yake ganin bonan shi bayan taksiman yake don me yasa na ce haka da sahe idan ka tashi taksiman da suna huta karhe bakwai gidansu wa'ansu karhe shida da rabi hmm. idan suka huta suka ɗauki wa'annan 'yan giya maje suka kai su kamar masu sai da kayan miya kenan hmm. idan suka kai su suka dawo yanzu ba wanda za ka ɗauka sai ɗan aikin gwamnati ɗan aikin gwamnati kuma in ka ɗauke shi ministar zashi ministar kuma tana cikin centerville ne idan ka ɗauke shi mutum ka ɗauke shi for example a wito kahin ka kai shi destination kana iya cin minti 30 arba'in saboda gosul hmm. yanzu ke ga da sahe wannan lokacin naka ka cinye shi baka da lokaci don ka hindai ka yi wucika wucika irin wannan ka kai midi baka da abin da ya kamata ka samu sannan kuma taksi ta kunshi abu uku na farko kana ba mai mota versaman na biyu kana ba mai station kudin essence in shi da kasa kamar yadda amur ya gai hmm. na uku sannan kai ka nema ma kanka to ni gaskiya selon mai zannalis da na yi kamar an ba ma mai station dama an ba ma mai mota dama ba a ba taximan tunda aikin nan na marice je yunwa ta kashe shi tun mahimmancin taksi garin ga yana iya ce miki kashi saba'in bisa ɗari duka da dizinavar in nan ne zuwa ventura zuwa mhm. saboda lokacin nan ne motar ɗinka zai hutawa kuma lokacin nan ne za ka samun clientele waɗanda sun huta sun je ko arme ko kuma sun tai wani sabgas ko wani abu suna sauri su koma mai shiga dala arba'in ya ce ma sattin shi da kanshi zai gai saboda yana sauri ya je gidan shi mm. mace ta je wurin sabga an ce mata ta zo miji ya ce zo gida karhe tara kin je kin kai karhe goma kina idan kin ga taksi dole ne ki sa mishi kuɗi ya samu ya kai ki mm. to nan ne taksiman suke samu eh, dama kaɗan suna ɗan samu abin da sun ka gurgura su ma Ok. Monsieur Seydou, parlons maintenant des impacts. Des impacts de cette euh, mesure. Comment il y a une ya ku ke ganin kaman wannan mezurkin da aka hiddo na wannan dokokin da aka dauka matsalar da yake iya jawo ma matasa waɗanda suke aiki kamar da dare ko kuma waɗanda suke kamar 'yan taksikin wannan da muke tare da su Alors déjà aujourd'hui, euh, tous ces travailleurs artisans, euh, qui, vendent des brochettes sur nos, voies publiques, qui vendent des poulets, qui sont taximans, qui sont euh, euh qui sont sureurs de chaussures. Naturellement, on doit se, se rendre compte que pour ces gens-là, déjà aujourd'hui, la situation doit être extrêmement pénible. Extrêmement pénible parce que toute cette catégorie d'acteurs sont des gens qui ne vivent qu'au jour le jour avec le revenu qu'ils ont généré. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la vente réalisée dans une journée qui permet d'assurer cette journée et peut-être une partie du lendemain. Alors, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, ces personnes-là, si ça perdure, c'est leur vie carrément qui est arrêtée. Et on peut s'imaginer beaucoup de conséquences dramatiques sur le plan social et sur le plan même de la de la, euh, de la quiétude sociale. Pourquoi Parce que ce sont des jeunes. Ils n'ont pas d'autres qualifications pour avoir un travail dans le secteur formel. C'est à partir de ces activités semi-formelles ou informelles qu'ils arrivent à vivre. Et s'il n'y a plus d'activités, ça veut dire quoi Ils sont au chômage, il n'y a plus de revenus. On peut facilement s'attendre à une dépression c'est ce type de personnes. On peut facilement s'attendre à une accumulation des problèmes sociaux. Et si les problèmes sociaux s'accumulent, à un moment, on peut quand même aussi s'attendre à un certain risque pour la, pour, pour, pour, la culture de tout le monde parce qu'il peut y avoir une explosion du banditisme et même une explosion de la criminalité. Et euh, que Dieu nous en préserve, mais euh, pour cette catégorie de travailleurs informels, il faut vraiment euh, un plus grand accompagnement. natural kada ku mance wannan shirin namu yana kayatar da ku kuna iya aiko mana ra'ayin ku bisa kan wannan shirin namu a bisa kan lamar ta whatsapp 806854 06 kenan zan mu koma mu shakata an va egeye tusa avec señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello revient dans la FADA. Cette fois-ci, on est en train de parler avec des jeunes qui d'habitude travaillent le soir. Nous sommes avec des jeunes taximans. Donc nous sommes à cette FADA avec euh, Boubé Boube Ego. Il est taximan SGA du 5 Taxi. Nous sommes avec Mohamed Issa. Il est taximan également. à wannan fadar muna monsieur Seydou sule shi kuma association kin jeune entrepreneur mata masu neman kenan euh, nous parlons de tous comment ils font aujourd'hui, euh, comment ils s'en sortent et comment ils traversent cette crise sanitaire. Donc, yanzu akwai taimako da kuke samu pour passer ce cap koko dai duka mai yin wani kasuwancin shi ko wani harkokin shi zai fasa abubuwa da yawa da matasa suke da da marece akwai wani taimako da aka musu koko dai babu wani abin da aka basu ban ga ban ji ba wannan wannan magana taki Hmm. ban taba jin wani wanda ya ce mini an taimaka musu bisa kai ga wanga hali da muke ciki hmm. ban ji ba kuma wani wanda ya ce mini an sa musu hannu bisa kai ga halin da suke ciki kuma ban ji ba wanda ya ce mini an ce mini an ce mishi ya zo ya amsa bisa kai ga wannan hali da muke ciki mu ba wannan ba muke so hmm. abun da muke so mu a dibi kaɗin jin da suke neman abin da za su tsira da kansu saboda idan kika ankara kika lura kika gani kafin wannan eh, kuvurfe ya zo mhm. eh, watanni da sun ka wuce an taba yin wani abu wanda ake ce ma da garfi saman mm. kamar shaguna da suke cikin gari an wawace su mm. kuma duk yawancin shaguna na yara ne matasa masu neman abin da za su ci su ci da iyalinsu masu neman abin da su ma za su yi iyali. Hmm. kenan wa'annan su dama ma suna nan zame ba su nan ga yin komi saboda ba komin yi yanzu kuma mu da muke namu dan yali-yali da dare kamar alal misali magarba zuwa sha biyu sha uku hmm. mu ma an ce mu zamna gida kada mu hutu ba mu ƙi ba wannan saboda an ce saboda ciwo ne ake nan ana mhm. ana ja muna kunnuwa mu zamna gida mu laɓe saboda karkaje ka ɗauko wannan ciwo. Hmm. ba shi ba muƙaƙi abin da muke so mu kuma a kawo muna sauƙi cikin aikinmu hmm. a kawo muna sauƙi wanda mu ma za mu samu mu samu mu zamna gida mu huta don babu wanda ke kin hutu idan ka ga mutum yana hutawa idan ka ga mutum yana huta yana da abun da zai ci idan baka da abun da za ka ci ba yadda za a yi a ce ma ka zamna ka zamna sai dai a kashe ka dole ne sai ka hito waje ka nemi abun da za ka ci don pour uh, trouver de solution pour ça ya kamata a samu a yi zamna kamar yadda amadu ya ce a zamna a kiro masu motoci a kiro ita mutanen gwamnatin a zo a zamna wuri guda a yi magana kai mai mota kaga in kai haka yahi mm. bai ji maka bai ji ma durobanka mm-hmm, mm-hmm. kai kuma gwamnati in kai haka yahi mm-hmm. bai ji maka bai jin ma al'ummarka sannan kowa ya samu mahuta ya dan guguya har wannan abun ke wucewa mm. saboda ba abu ne wanda annoba ce wadda ba mu san yaushe za ta kare ba ba mu san ba yaushe ne za mu ganin bayanta kuma ba mu san ba mahita ciki awo ko kuma a'a to yanzu bari in dawo gare ka amadu bube ego akwai wani kiran ka na karshe da zaka mm, bada ko ga ma'aikantanmu ko ga matasa bisa kan kamar yanzu kamar a ci aliki maka wata koha ce akwai wata koha da kake iya budewa in akwai kamar wani irin shawara da kake iya basu bisa wata irin shawara da kake basu bisa kan wannan yanzu abin ah, da suka kasance da dai da ke gare ni an tanke shan Dabo. en tant que jeune d'abord mm -hmm. e, ina cira ga jeunesse nigérienne. aiki bai karamu duka aiki aiki ne mm -hmm. abun da bai da kyau ka zo ka ka meka hannu ka meka hannu ka ce a baka mm -hmm. e, eh, mu kokari paske ba sai in mutu ya suwa zai fara nema mhm. nema cikin karhin ka kace nema wajen ma'ikanta kirar da ke gare ni shi na yau akwai jen da yawa cikin ƙasar gada suna deburiye da kansu suna nema da kansu vraiment e, ma'aikanta su kawo mezu da accompagnement hmm. ma kin nan ba mu ciya ba wani tax wani abun ga amma sai in mutum ya zamnu ya samu kuna iya ku zo ku nema gare shi hmm. Mai ba tun harin ba mutum ya fara nema ku zo ku kare mai wuya mhm. don ku su yi ede suis aidant jeunesse parce que yau on est au 21e siècle mutane da yawa sun gane da aiki shine mutum shine mutuncinka shine mutuncinka shine mutuncinka donc au niveau des responsables na taxi kuma manya-manyan masu motoci ta kansu su duba allah da annabi su kara rage ma direbobin versement yanzu leur kote kuma su nemi su tattauna da gwamnati a ga abubuwan da ake iya hidda musu cikin takardu mm. saboda wanga annoban ga da ya zo hal Allah ya gwada muna karshen karshen shi to mun gode Monsieur Saidu in dawo gare ku yanzu akwai kaman wata mai zurkin accompaniment da kuke iya muna propose wata shawara da kuke iya ba su wa'annan matasan ko ko taimakon da ya kamata a kawo musu To. Alors, l'accompagnement, il y a eu déjà euh, des mesures qui ont été prises récemment par le président de la République. Euh, je pense que ces mesures doivent être systématiquement mises en œuvre. Hein. Et c'est par exemple les mesures liées au paiement de l'eau et l'électricité. Qui, vont être allégées. Et je pense que cette catégorie de personnes sont directement concernées. Les ventes à prix modérés. Parce que quand on est sur de chaussures, et quand on gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on fait On achète des vivres. Bon, si les ventes à prix modérés ciblent ces catégories de personnes pour que le sac de riz, qui est peut-être à 10 000, et vendu de manière... Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler le soir. Il faut aussi encourager l'acteur à être ingénieux, à avoir un travail le jour. Voilà. Et puisqu'il va avoir un travail le jour, il faut aussi qu'avec euh, avec son ingéniosité, il essaie de voir quels sont les métiers qui sont porteurs le jour. Bon, naturellement, même les citoyens, nous tous aujourd'hui, nous ne consommons pratiquement, nous, ne faisons pratiquement pas de commerce le soir parce que tout le monde rentre chez lui le soir. Et donc, ce qu'on a l'habitude d'acheter le soir, aujourd'hui, on l'achète le matin. Donc, euh, il faut que tout le monde se réadapte. Et je pense que dans ce processus de réadaptation, c'est vrai qu'il faut, à chaque citoyen, il nous faut beaucoup plus d'empathie qu'avant. Il nous faut euh, se soutenir mutuellement, savoir que le fait que j'aille acheter euh, mes condiments ou mon poulet ou euh, mes, cirer mes chaussures c'est chez un artisan nigérien qui déambule dans la rue, ça va l'aider. Et puisque ça va l'aider, ça va lui permettre de rentrer à 18h ou à 19h plus tranquillement chez lui avec un peu plus de ressources. Donc ça, eh, c'est un appel aussi à la solidarité nous tous, nous devrons être empathiques et surtout nous soutenir mutuellement et soutenir les plus faibles d'entre nous. La FADA innove tout le temps pour être plus proche de vous. amenons-nous tous à la FADA. Yanzou mushurari sabo rubrique kinda a réalisé wannan hira da flow. Flow na studio flow. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Ayo oh, la famille, tout ça la fadaille spéciale Covid-19, les artistes s'engagent, vous le savez, pour lutter contre cette pandémie. Nous sommes aujourd'hui au studio Flo... nous sommes aujourd'hui avec un prince, nous sommes aujourd'hui avec un beatmaker, nous sommes aujourd'hui avec un artiste musicien, devinez déjà. Eh, on l'appelle Mr. Flo de la formation NIF 69 14. Voilà, NIF 9-14 Je reçois aujourd'hui Mr. Flo. Flo, je te la bienvenue. Ouais, salut, c'est comment on dit Ça peut aller Ouais, ça va, Mr. Flo. On sait que tu es en train de lutter contre le Covid-19. On sait que tu fais partie des artistes engagés. On sait que tu fais partie aussi des beatmakers qui ont regroupé des artistes, il faut le dire ici même au sein de Studio Flow, pour un projet très très lourd. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ta motivation. On va parler un peu du pourquoi de ce projet. Parlons de cela, Mr. Flo. Euh, au fait, ce projet, on l'a fait parce que on doit le faire en tant que des artistes pour amener un changement à notre nation. Et c'est un fléau qui dérange, donc euh, c'est les artistes qui ont la bouche pour mieux parler. sanno girgune donc numa de matkan haymani cida ni monon haymani arostirene o aneni gudu a gulle isga shay verga kambu sisiriga o flow il faut ah, doro tu hmm. donc ah, ma de doro Ok, d'accord, Mr. Flo. Est-ce que tu veux me dire comment est-ce que toi tu fais pour te protéger euh, généralement, je mets une bavette, je me lave régulièrement les mains et je prends mes mesures de distance entre les gens quand on cause ou bien quand les gens se réunissent. Euh, on met plus d'écart pour ne pas se contaminer. La distanciation, comme on dit, Mr. Flo, je kiffe bien. Et je fais aussi de même, hein. je me protège parce qu'il ne faut pas choper du tout virus, comme on dit. Alors, en tant qu'artiste connu, qui forcément, a de l'influence sur son public. Quel message pourriez-vous passer aux Nigériens dans le sens de les sensibiliser davantage contre cette pandémie euh, je dirais tout simplement que les gens respectent les mesures de barrière et se laver régulièrement les mains et porter l'herbe bavette. Alors, Mr. Flo, euh, écoute, euh, Manga, manga siffla parce que c'est ça. C'est avec ça que je t'ai connu, hein, avec euh, 914 en principe. Alors, est-ce que tu peux me m'improviser un petit truc sur ce beat, Mr. Flow, euh, de Uno, Uno, Uno Boraise. Uno Boraise. Biriketik, biriketik waimo, biriketik, biriketik armo, biriketik, nimahawi bayinimu. Yeah. Yes, Alors nous m'avons venu parce que nous pouvons se ici. Merci en tout cas à tous qui kiffent cette émission. Alors, je parle un peu partout à travers nos 41 radio partenaires. Hey, hein. vous êtes sur le studio Kalangou. On kiffe. On nous Hunoborese de la formation NIPSO 914. Et dans un instant, la suite de l'émission Tous à la Fada. Hey. Oui, 914. ge wat kule te ji ni kan ko to iri gama kan fundi bere do gare

Euh, retour à la fada yanzu kuma an raga muku wannan shirin dai muna nan ganin shi anan siyar jikin uh, studio kalango anan kwara kano kuma an ce kowa ya zama na gida ke yasa mu ma muke zama gida muke gayyato waɗanda suke zuwa suna ba mu amsa a duka tambayoyin mu to yanzu wannan fadar dai muna tare da a wannan fadar dai muna tare da Amadu Bube Ego Taxi man ne kuma SJA kin Senko Taxi ya zo ya amsa kiran mu muna tare da Muhammadu Isa taximan ne shi kuma SG a l'organisation qui Kinsenko Taxi ne. À cette fada, nous sommes également avec monsieur Seri Souley, il est le président de l'association des jeunes entrepreneurs. To mu dawo fada yanzu dai mun zo karshen wannan shirin namu amma kan mu yi ban kwana da juna zan mu kirawo Olivier ya zo mana da kronikin shi. Salut Olivier, ça va, tu vas bien Ouais, eh, ça va tranquille toi <laughs> ça va bien, merci. Alors ce soir, comme annoncé au sommaire, on va parler de la connexion Internet. Mhm. Tout d'abord, un rapport de l'entreprise de marketing Kantar souligne que la croissance globale de l'utilisation de WhatsApp a dépassé 40%. Et cela inclut également d'autres applications appartenant à Facebook comme Instagram. Et cela depuis le début du Covid-19. Au Niger, nombreux sont les utilisateurs qui se plaignent des services Internet. Comment expliquer le problème de connexion en cette période de pandémie Oui, Olivier, on t'écoute. Hein. on dirait que la connexion aussi a été virusée. Hein. On dirait bien que cette connexion est testée positive, hein, Olivier. En tout cas, on en doute <laughs> point. <laughs> Depuis le début de la pandémie de coronavirus, plusieurs mesures sont prises par le Niger pour éviter la propagation du virus. Parmi ces mesures, il est demandé aux populations de rester à la maison. Et oui, si on peut demander aux populations de rester chez elles, on ne peut les empêcher de se connecter aux services Internet. Par conséquent, plusieurs personnes se tournent vers les réseaux sociaux. Ah et les hommes sont de plus en plus digitaux, n'est-ce pas, Rabi Ah oui, ça c'est clair. Et cela peut affecter les services Internet. Connexion lente, le réseau qui bug, Comment expliquer ces récents dysfonctionnements numériques qu'on rencontre Ousmane Mamoudou, chef du service digital du studio Kalangou, il nous donne quelques éléments de réponse. Beaucoup de gens pensent que Internet est en train de tomber. Ce sont des réflexions qu'on fait, qu'on fait pas qu'ici. Ce sont des remarques qu'on a fait dans d'autres pays. Mais grosso modo, ce n'est pas en fait réellement Internet qui est en train de tomber. Internet, c'est un réseau qui est lui-même constitué d'autres types de réseaux. Et chez nous, ce qu'on remarque, c'est que typiquement, on a plusieurs opérateurs qui sont eux-mêmes greffés à Internet. En fait, il faut les voir comme des compagnies de transport. Internet, c'est comme un réseau routier et vous voyez ces opérateurs-là comme des compagnies de transport. Chacun à ses véhicules. Chacun a unité itinéraire qu'il suit pour partir d'un point A à un point B. Donc grosso modo, c'est ça. Les opérateurs ont des services qu'ils ont développés et eux, au lieu euh, de, de, transporter des personnes, ils transportent de la donnée d'un point A à un point B. Et chacun a son réseau, a une manière de conduire cette donnée, euh, de, par exemple de l'antenne à ton téléphone, etc. Quoi. Chacun utilise du matériel différent, chacun a une infrastructure réseau qui lui appartient. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'au Niger, malheureusement, même en temps normal, la connexion est lente. Alors avec ce couvre-feu, vous avez beaucoup de personnes à la maison et comme euh, personne, tout le monde quasiment n'a pas grand-chose à faire, tout le monde se connecte pour voir un peu, pour tâter le pouls des réseaux sociaux, voir ce qui se passe. Ça crée une sorte d'embouteillage sur l'autoroute euh, de l'information qu'on appelle Internet. Ça crée beaucoup d'embouteillages. Tout le monde veut accéder aux mêmes services en même temps et forcément, ça obstrue euh, la, la, communication. Mais ce n'est pas pour les utilisateurs de Facebook ou de WhatsApp ou d'autres médias. Ce ne sont pas ces réseaux eux-mêmes qui sont en train de tomber. Ce n'est pas Facebook qui n'arrive plus à suivre. Ce n'est pas WhatsApp qui n'arrive plus à suivre. Non eux, ils sont conçus euh, selon des, spécificités techniques assez poussées. Ils Par exemple, euh, voilà. En fait, dès leur conception, ce sont des réseaux qui ont été conçus vraiment pour supporter ces chocs. Hmm. Euh, en Europe, où globalement, on appelle ça ce type de, mise en forme là, ce sont des réseaux qui sont conçus. On parle de, ce sont des réseaux qui sont conçus pour résister au lundi férié pluvieux. C'est-à-dire en Europe, quand tu as cette configuration-là, elle est dit pluvieux, férié, c'est que tu as toutes les chances d'avoir tout le monde à la maison et que tout le monde va se connecter à Internet. Et donc, vraiment, ce sont des euh, services qui sont conçus pour résister à ces chocs. en vrai, il est constaté que dans le monde numérique, plus le nombre de personnes connectées augmente, plus la qualité du service recule. Et ça, voici les conséquences. Merci Olivier pour ces éclaircissements. Là, Merci, on voit mieux un peu ce qui se passe, ouais. ce qui nous met en rogne. Ah ouais. <laughs> Allez, Merci bye pour bye. cette chronique, Olivier. Bye bye. To mun gode Bube Ego, mun gode Muhammadu, mun gode Saidu Sulai mun gode da wannan karin bayanin da kuka bamu bisa kan wa'annan tambayoyin namu mun gode da kuka zo a nan studio Kalanguri da ana wannan harkan coronavirus kin. mun zo karshen wannan shirin namu na tus alafada na samedi yanzu gobe zai haɗu da abokin aiki na dondi shi kuma zai hira tare da fm ya su kuma a can wajen nasu yaya ne suke rayuwa da wannan mai zurkin ta coronavirus kuma yaya ne wannan mai zurkin da aka ɗauka wannan dokokin da aka ɗauka ke sha hasu sai mun ƙara haɗuwa a sharuwa lahiya.